La campagne des cultures irriguées 2016-2017 se situe dans la droite ligne de l'initiative 3N, autrement dit, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le président Issoufou en a fait un élément essentiel de sa campagne pour un second mandat. Il a Chimaro, secrétaire général du ministère de la Culture et de l'Élevage. Nous ambitionnons d'envelopper 155 215 hectares pour des productions brutes attendues cumulées de 3 271 342 tonnes de légumes de céréales et de légumineuses diverses, ce qui correspondrait à 700 000 tonnes d'équivalent céréalier ou encore environ 630 milliards de francs CFA en termes de revenus monétaires susceptibles d'être générés. Et pour atteindre ces objectifs, Ila Jimarao affirme l'État entend jouer entièrement son rôle. Après la mise en place des infrastructures importantes, il promet d'accorder des subventions conséquentes. Ces subventions sont-elles reparties de façon équitable le maire de la commune rurale de Safo, dont dépend le village de El Mogou, affirme que jusqu'à présent, aucune plainte n'est parvenue à son cabinet à ce sujet. Certains producteurs estiment en revanche qu'il y a un problème. Écoutons à ce sujet l'un de ces producteurs, Nassirou Komando. C'est du travail qui nécessite qu'on vienne en aide aux producteurs les moins nantis. Mais quand la subvention arrive, on recense nos noms sur des listes et après on ne perçoit rien. C'est pourquoi nous souhaitons de l'aide et demandons aux responsables de rendre visite à chaque producteur pour voir ce qu'il fait afin que la subvention parvienne à tout un chacun. En tout cas, dans le village de El Mougou, le terrain aménagé pour ces cultures est situé près des habitations. Cela permet la reprise des cultures de compte saison qui avaient été suspendues. J'ai pu rencontrer Houré Adamou, agricultrice particulièrement enthousiaste. Elle explique ce qu'elle produit et les bienfaits qu'elle en tire. Nous produisons du moringa. Nous cultivons du chou, des l'oignon, de la carotte, de la salade, de l'ail, entre autres. Ici, nous produisons plusieurs variétés de cultures et nous en tirons un grand profit parce que vous voyez cette tenue que je porte, c'est grâce au moringa que j'ai pu la coudre. Au-delà d'El Mougou, c'est tout le pays qui est concerné par cette campagne de cultures irriguées 2016-2017. Le Niger a en effet fait de la petite irrigation son cheval de bataille pour combattre l'insécurité alimentaire. Mohamed Maman depuis Maradi pour le studio Kalangou.